le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h15 au studio Kalangou. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï, pour ce forum du 13 juillet, nous irons d'abord au quartier général de ECAP Sahel qui vient d'organiser il y a quelques instants une cérémonie de remise des médailles et de témoignages de satisfaction au profit du personnel de ECAP Sahel Niger. Les récipiendaires sont au nombre de 53, dont 33 Nigériens pour des certificats d'appréciation. Vous saurez ce que c'est ECAP Sahel et ses objectifs. Et puis, il y a ce regard croisé des acteurs de la société civile de la région de Tilabiri sur la réalisation du barrage de Kandaji après la réunion de haut niveau d'hier à la primature sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji. Le président régional de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement et celui des SOS Kandaji, nous ferons surtout le point sur l'aspect réinstallation des populations affectées. Nous ferons aussi le point sur la campagne agricole dans la région de Dosso, la situation, disons, n'est pas inquiétante, même si, pour le directeur régional de l'agriculture, elle nécessite un changement de comportement de la part des producteurs par rapport à la variabilité des pluies. Nous n'oublions pas non plus le lancement ce matin au CFM Taïa de Niamey du nouvel album de l'Orchestre National. C'est un album de 15 titres que vous allez découvrir vers la fin de ce forum. Oui, une cérémonie de remise de médailles et de témoignages de satisfaction a eu lieu il y a quelques instants au quartier général de Cap Sahel Niger à Niamey. L'occasion pour le chef de la mission de faire un bilan de cette structure. Nous allons l'écouter dans un instant dans une interview accordée à notre reporter Laurent Ibrahim Kado, mais d'abord essayons de définir ce que c'est concrètement Cap Sahel Niger. C'est un décryptage assuré par Nafissatou Adam Diallo. Pourquoi la mission civile ECAP Sahel Niger a-t-elle été instaurée parce que la crise au Mali, l'instabilité en Libye et les activités terroristes de Boko Haram au Nigeria menacent la sécurité et le développement du Niger. En outre, le pays fait face au trafic illicite de drogue, d'armes et d'êtres humains sur son territoire. Dans ce contexte, l'Union européenne a jugé que le bon fonctionnement du secteur de la sécurité du Niger était essentiel. C'est pourquoi une approche régionale de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans le Sahel a été adoptée en mars 2011. Lancée à la demande du gouvernement nigérien à l'été 2012, elle constitue un élément important de cette stratégie de l'Union européenne. Le mandat de la mission ECAP Sahel-Niger, mettre en place une approche intégrée, cohérente, durable et centrée sur les droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. En clair, la mission apporte un soutien aux autorités nigériennes dans le renforcement de leurs dispositifs par le biais du conseil et de la formation. Près de 80 experts internationaux, dont la majorité est issue des forces de sécurité et des services de justice européens, ont été déployés en permanence à Niamey. Dans le mandat actuel, ECAP a renforcé son assistance en faveur des régions du Niger avec un accent particulier sur la région d'Agadez avec implantation d'une antenne permanente et sur celle de Difa pour les raisons que l'on sait. La fin du second mandat est prévue pour le 15 juillet 2016. Damou Sirfo, Studio Kalangu. Voilà, Nafisa Damou Sirfo sur un décryptage de ECAP Sahel Niger. Le bon fonctionnement du secteur de la sécurité du Niger est essentiel, disait-elle à l'instant. Voyons ici les objectifs du deuxième mandat euh, qui ont été atteints, du moins dans l'esprit de ceux qui sont chargés de le mettre en œuvre. Le chef de la mission, Philippe de Sénic, au micro de Laura Ibrahim Gadou. Bonjour, monsieur Philippe de Cuny. Vous êtes en fin de mission ici au Niger. Quel bilan faites-vous Je suis arrivé il y a quatre ans, le mois d'août 2012. La première année, on a eu besoin pour euh, lancer euh, cette mission qui n'était pas une tâche euh, facile. On est donc en train de travailler durant trois ans ensemble avec nos collègues nigériens, les forces de défense et de sécurité. Comme vous savez, ici au Niger, il y a quatre forces qui s'occupent euh, avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. C'est-à-dire, c'est les forces armées, c'est la gendarmerie, c'est la garde nationale et c'est la police nationale. Donc notre mandat est de renforcer les capacités de ces quatre forces euh, dans leur lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Comment Pour exécuter ce mandat, on a euh, cinq objectifs. Notre premier objectif, c'est l'interopérabilité. Donc, on veut créer une, bonne atmosphère parmi, et aussi euh, une atmosphère opérationnelle parmi ces quatre forces, que c'est possible qu'ils travaillent ensemble et qu'ils travaillent plus efficaces ensemble dans euh, la lutte contre le terrorisme. Euh, deuxièmement, c'est leurs compétences techniques. On organise et on a organisé beaucoup de formations pour améliorer euh, leurs compétences techniques euh, comme policiers. Euh, troisièmement, on travaille aussi dans la durabilité. Ça veut dire une mission ne reste pas à l'éternité. Donc après quelques années, on va s'en aller. Donc c'est très important que les Nigériens eux-mêmes reprennent toutes nos activités. Et dans ce cadre-là, on travaille avec le mécanisme formation des formateurs. Euh, et maintenant, on est déjà dans une étape où euh, les formateurs nigériens font déjà les formations et nos experts sont là comme euh, moniteurs. Quatrièmement, on essaye de leur aider à mieux maîtriser la coordination, parce qu'au Niger, il y a beaucoup d'initiatives régionales, internationales, nationales, dans ce même cadre. Donc, on a créé des mécanismes euh, pour mieux gérer la coordination que toutes les actions de tous les acteurs dans le cadre du terrorisme euh, seront plus efficaces. Et cinquièmement, euh, on veut également faire quelque chose ensemble avec eux, et ça c'est très récent, ça c'est depuis 2015, notre cinquième objectif, c'est aider les autorités nigériennes à mieux maîtriser le management des flux migratoires irréguliers. Vous avez une antenne à Agadez, pouvez-vous nous en parler oui, euh, l'idée de l'antenne Agadez, euh, au début de la mission, on était très actifs à Niamey. Et on a très vite compris, ensemble avec les autorités nigériennes, qu'on devait aller dans toutes les régions. Et comme Agadez, c'est quand même à 1000 kilomètres d'ici, on a, euh, à la demande des autorités nigériennes, on a décidé d'ouvrir une antenne là-bas. Et ça nous facilite, euh, en fait, la vie pour exécuter notre mandat aussi à 1000 kilomètres de Niamey. Donc maintenant, on a une antenne, ça veut dire euh, on travaille, euh, on exécute nos cinq euh, objectifs de notre mandat à Agadez à partir d'un compound, d'une antenne. Donc ça veut dire on a une quinzaine de, policiers internationaux là-bas et on a aussi un, un staff local à Agadez. Qu'est-ce que vous faites pour DIFA qui est aussi un autre enjeu sécuritaire au Niger Oui, DIFA, en effet, c'est vraiment un enjeu. C'est vraiment euh, des attaques terroristes euh, tous les quelques jours. À DIFA, on a essayé de créer le, PC mixte euh, qui a marché. Le PC mixte est utilisé tous les jours dans la lutte contre le terrorisme. Euh, on a aussi formé des policiers euh, dans le cadre du renseignement, analyse des informations avant qu'ils aillent euh, là-bas travailler. Et euh, on fait aussi donc les cinq objectifs euh, qu'on a euh, et qu'on exécute à Niamey. On essaye aussi de donner ces mêmes formations à DIFA, mais on ne les fait pas à, DIFA parce que la situation sécuritaire ne nous permet pas d'aller là-bas. Mais on fait pour les gens de DIFA, on fait les formations à Zinder. Monsieur Philippe, quel est votre bilan en matière de formation de personnel impliqué dans la question de sécurité ici au pays Bon, mon bilan après quatre ans, je peux vous dire, on a rencontré euh, des élèves nigériens qui sont très engagés, qui sont très actifs. Euh, je dois dire, euh, le bilan jusqu'à maintenant est positif. je pense qu'on a vraiment ensemble et grâce à eux amélioré leurs compétences, augmenté leurs compétences, renforcé leur capacité d'enquête dans le cadre de la sécurité. Et naturellement, quand on dit sécurité, quand on améliore la sécurité, euh, on peut également augmenter le développement ou, faire avancer le développement. Donc, c'est très important. Comme il y a un lien fort entre la sécurité et le développement, je pense qu'on a tout intérêt, euh, le Niger, les autorités nigériennes, ensemble avec nous, l'Union européenne, pour nous investir dans la sécurité. Parmi vos résultats, vous mettez en avant ce que vous appelez la judiciarisation de l'action des forces armées. Qu'est-ce que ça veut dire réellement euh, Ici au Niger, c'est euh, une réalité que souvent les militaires sont les premiers sur place quand il se passe quelque chose. Par exemple, un attentat terroriste, euh, surtout dans le nord ou dans le désert, il n'y a pas partout la police ou la gendarmerie. Donc les militaires sont souvent les premiers sur place. Donc c'est très important que aussi les militaires ont une euh, fonction de, police de base. Et avec la judiciarisation, euh, on essaye de leur donner une formation de police de base, euh, notamment qu'ils peuvent gérer une scène de crime, par exemple, quand ils sont confrontés avec un attentat, qu'ils peuvent préserver les indices et les traces avant de préserver les traces, avant que la police ou la gendarmerie viennent euh, sur place. À la fin de votre séjour ici au Niger, à votre niveau, qu'est-ce qui reste à faire pour le Niger Naturellement, c'est la sécurité et le combat contre le terrorisme, c'est quelque chose qui dure, pas seulement pour le Niger, mais aussi pour nos pays chez nous. On a aussi euh, le même problème avec les terroristes, donc euh, c'est un travail euh, qui continue. Ce n'est jamais fini, mais je pense sensibiliser les autorités, toutes les, les forces de défense et de sécurité qu'on a en fait le même but, parce que le but, travailler pour une meilleure sécurité, en fait, c'est travailler dans l'intérêt de la population et c'est travailler pour avoir euh, dans le futur un meilleur développement. Donc moi je dirais continuer avec toutes les initiatives que je vois et, que j'ai vues pendant les quatre ans. Moi je dirais euh, laissons continuer avec ça et on est sur le bon chemin. Voilà l'émission de ECAP Sahel Niger vue par le chef d'émission lui-même, Philippe Duchenic. Euh, cet après-midi même euh, à la cérémonie de remise des médailles et des témoignages de satisfaction au personnel du ECAP Sahel Niger. La réalisation du barrage de Kandaji hier, vous vous souvenez, une réunion de haut niveau a regroupé les principaux acteurs concernés pour faire l'état d'avancement du programme dans son ensemble. Le gouvernement prévoit la mise en eau du barrage au plus tard en 2021. Mais sur place, qu'est-ce qui a été réellement fait Les acteurs de la société civile de la région de Tilabiri qui s'intéressent à la réalisation de, de ce barrage ont bien voulu nous faire la situation. Ce qui retient l'attention, c'est surtout l'aspect réinstallation des personnes affectées. Suivons d'abord l'analyse du président régional de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement de la région de Tilabéry, Abdoulaye Amoukou. Par rapport d'abord aux infrastructures, parce que si on prend déjà le cas des déplacés, en cas les premiers, aujourd'hui ils ont eu vraiment un très bon site sur lesquels aujourd'hui la vie pratiquement quotidienne a repris. Euh, je, dis que le site a été aménagé parce que j'ai été là-bas au moins quatre ou cinq fois sur le terrain. Et franchement, les activités économiques ont repris de façon euh, vraiment acceptable. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan infrastructure c'est fait, je veux d'abord parler par rapport au sanitaire. En tout cas, je sais qu'il y a des ratines quand même qui ont été quand même euh, construites là-bas au niveau du, nouveau site. Et aussi, il y a aussi l'addiction d'eau potable. Je pense que c'est de cela d'abord il s'agit parce qu'une population sans eau aujourd'hui, je pense que elle ne peut pas vraiment euh, être à l'aise, ce qui fait que au niveau de l'assainissement, je pense que c'est vraiment total. Et aussi, euh, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu vraiment des, infrastructures comme les écoles qui ont été construites. Il y a eu au moins des cas de santé aussi. Euh, construites là-bas au niveau du, site là. je pense que vraiment dans l'ensemble, secteur par secteur, je pense que le programme quand même a réfléchi et quand même a pu mettre en œuvre en tout cas euh, certaines infrastructures. Pour ce qui est du barrage lui-même, est-ce que, parce qu'il y a eu des pierres qui ont été posées, est-ce qu'il y a eu quelque chose Oui, il y a eu beaucoup de choses effectivement qui ont été réalisées parce que quand on prend déjà le pont, en tout cas qui nous permet en tout cas d'aller de l'autre côté, je ne connais pas le pourcentage euh, effectivement du taux de réalisation, mais je sais que ça, ça quand même ça a été réalisé. En dehors de ça, il y a eu quand même les périmètres aussi hydro-agricoles parce que de cela, il s'agit parce qu'il faut quand même garantir la sécurité alimentaire. Il y a quand même eu, ça fait déjà pratiquement deux campagnes. On rentre dans la troisième campagne, en tout cas, aujourd'hui, avec euh, la coopérative. C'est-à-dire que euh, à ce niveau, il y a eu déjà en tout cas une grande avancée. Et je vous dis, euh, pratiquement, euh, cette question concerne cinq villages. cinq villages, je veux dire, là, il y a le village de Aslamé, il y a le village de, de, Gabou, le village de, de, de, de, de Kandaji, j'ai les deux autres villages. En tout cas, pratiquement toutes ces populations-là ont quand même euh, reçu le pain de terre. Si je vous comprends bien, si on parle du barrage de Kandaji, c'est d'abord la réinstallation des populations. Quelles sont les données que vous avez vues par rapport à cette réinstallation Je dis, elle est, vraiment effective, j'allais dire même à 80%. Vous savez, c'est d'abord... Euh, si vous voulez, une première vague. Une première vague qui est déjà installée. Et la deuxième vague, nous, on a procédé effectivement à l'enquête à l'enquête des ménages qui nous a quand même conduit à, identifier ou analyser que les gens déjà avaient de l'autre côté. Et pratiquement, le programme a pris toutes les mesures nécessaires pour que les gens puissent être dans leurs droits. Quelles sont les zones concernées par euh, la réinstallation de population Vraiment, en grande partie, c'est vraiment la commune de, de Et il y a ces cinq villages, à ma connaissance en tout cas, qui sont intéressés par, euh, par en tout cas, euh, l'arrestation Vous avez cité la commune de euh, Dessa. Est-ce qu'il y a d'autres communes qui sont concernées Vous savez, c'est vraiment un, vaste, un Ce programme. pas seulement Dessa, je pense qu'il y a aussi les autres, les autres communes aussi qui sont concernées par le programme. Notamment la commune de, de, de, de, aussi est concernée. Beaucoup reste à faire. Non, il reste beaucoup à faire. ça, c'est certain. Il y a eu vraiment une cité qu'ils ont construit pour les agents qui doivent ce travail-là. Un grand cité gigantesque qui contient déjà, je pense, 20 euh, villas, une salle de réunion, euh, une salle de restauration et, et autres La cité est effective. Elle est vraiment effective. Je pense que les travaux sont déjà terminés. J'ai aussi participé, si vous voulez, à l'appui qu'ils ont apporté à 445 vulnérables. Hein. Ça, c'était un truc qui a été recensé. Et il y avait vraiment un appui, si vous voulez, en matériel. Et on a quand même euh, pu distribuer des l'année passée, on a pu distribuer en tout cas des céréales comme le, le, le euh, le, le riz, et on apportait aussi un appui en, savon, euh, en couverture et puis aussi un appui euh, en produits pharmaceutiques. Pour revenir à la commune de Dessa, qui est l'expérience pilote, mhm. euh, les populations ne se plaignent de rien. Non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment une très grande joie parce que, je vous dis, hein, par exemple, à euh, ce qui concerne cette population, je pense qu'elle est vraiment tant motivée pour la cause. Est-ce qu'il y a des écueils quand même Est-ce qu'il y a des difficultés Bon, en tout cas, je ne saurais vous le dire, hein, parce que je suis en contact direct avec la population, parce que nous avons aussi euh, des comités de veille que nous avons formés, euh, qui aujourd'hui s'occupent pratiquement des aspects des aspects de ce genre. Et Ils sont déjà pratiquement dans, dans, les villages là. Et le comité est satisfait de ce qui est fait Bon, le comité est composé des organisations de la société civile et pratiquement on est en contact direct parce qu'ils nous font parvenir des, des rapports mensuels. Et jusque-là, franchement, il n'y a pas une plainte euh, majeure. Il est prévu, selon le gouvernement, la mise en eau du barrage d'ici 2020-2021. Est-ce que vous avez espoir que ça sera réaliste, c'est réaliste pour vous En fait, il faudrait que le gouvernement et les, partenaires, les partenaires s'y mettent, c'est tout. C'est bien possible, vu ce qui est déjà, ce qui a été déjà euh, euh, réalisé sur le terrain. Ces barrages, euh, ça fait très longtemps déjà, ça fait déjà des, des, des décennies qu'on a vraiment entendu parler de ce barrage. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu quand même des ouvrages qui ont été réalisés. Voilà Abdoulaye, Abdoulaye Amoukou, président régional de la Chambre de concertation des ONG associations de développement de la région de Tilabiri, sur l'aspect réinstallation des personnes affectées euh, par rapport à la réalisation du barrage de Kandaji. Une autre explication que je vais vous, euh, vous, vous donner, vous proposer, c'est celle du président régional de SOS euh, Kandaji, Ibrahim Mamoudou, donne son avis également. Kandaji, nous nous sommes des acteurs de la société civile, nous, nous ne sommes pas pleinement impliqués dans toutes les activités du programme Kandaji. Ce que nous nous faisons, nous ne sommes que des acteurs pour sensibiliser la population, pour pleinement impliquer la population dans cette réalisation de ce barrage. Et sur quel aspect vous sensibilisez les populations Sur tous les aspects. Par exemple, euh, en les motivant à se regrouper en groupement, en association et en coopérative pour leur permettre de mieux gérer la, les retombées sur le programme Kandazi par rapport au barrage et surtout dans le domaine de l'agriculture où les aménagements hydroagricoles peuvent être bénéfiques pour eux et aussi d'autres activités telles que, euh, par exemple, dans le domaine de la santé, nous apportons aussi un plus par rapport à certaines activités telles que la lutte contre le sida, par exemple, et aussi euh, dans le domaine de la propriété. Et, quel est l'engouement des populations autour de cet ouvrage La population ne s'arrête même pas, si je pourrais m'exprimer comme ça, à travers la réalisation de ce barrage, parce qu'il se voit maintenant réinstallé sur un nouveau site où toutes les infrastructures, indépendantes, ne au moins 30 50% des infrastructures de, de, d'une ville est en train de se d'émerger au niveau de, de, de Kandaji. Quand on évoque euh, le barrage de Kandaji, est-ce que le barrage, le, l'ouvrage barrage est visible sur le terrain Tout à fait. Le barrage est visible, c'est-à-dire concrètement, on sent qu'il y a. Mais seulement c'est que la population, on sait qu'il y a eu déjà un premier lot de population qui a été déplacé du fleuve vers l'autre, euh, de l'autre côté. Ça, c'est, ça, c'est l'aspect réinstallation. Nous allons revenir là-dessus. Mais pour ce ah. qui est de, l'ouvrage même, est-ce qu'il y a eu des constructions pour dire voilà, ça c'est le début du barrage de Kandaji La première c'est, la coupure du, bras de fleuve. Ça, il y a eu ce, ce premier, ce À part ça, concrètement, moi, je n'ai vraiment pas vu ce qui a été fait, à part euh, euh, le, barrage du fleuve qui a été réalisé. Ça, pour moi, c'est fait. Parlons de l'aspect réinstallation des populations. Où est-ce que vous en êtes les, populations, la majorité des populations qui se trouvaient au bord du fleuve ont été réinstallées sur le nouveau site de Kandaji, avec presque toutes les infrastructures qu'il faut. Lesquelles Par exemple, il y a les fosses sceptiques qui ont été installées un peu dans chaque concession. Il y a des, infrastructures routières, pas des routières, euh, euh, comment on appelle, <clears throat> pour permettre euh, euh, la circulation fluide entre les populations, ou les, charrettes qui passent dans les voies des quartiers. Il y a des installations de des châteaux des châteaux qui ont été placés dans certains quartiers. Il y a aussi l'aspect santé où il y a des cases de santé qui ont été euh, euh, construites. Il y a des marchés, un marché à bétail, un marché euh, local qui a été construit. Il y a des écoles qui ont été construites. Il y a des moulins à grains qui ont été installés. Il y a des pistes rurales qui ont été faites il y a aussi, en tout cas, pas mal de Quand vous dites les populations, c'est toutes les populations, c'est toutes les communes concernées, ou bien c'est une commune ou deux, je ne sais pas sur combien Je ne dis pas toutes les communes, parce que la réinstallation n'est pas à 100% terminée. Donc, il y a certaines populations aussi qui attendent d'être réalisées, qui sont, euh, sont euh, qui sont concernées par le programme Donc, pour le moment, en tout cas, je ne dis pas qu'ils sont tous réinstallés, mais la majorité des populations qui sont autour de ce barrage ont été réinstallées sur le nouveau programme, sur le nouveau du programme. Euh, tout, le long, tout le long du fleuve Oui, tout le long du fleuve. Parce que nous, nous n'intervenons pas. Nous, nous allons sur le terrain vérifier et voir ce qui a été fait et ce qui, qui n'a pas été fait. Mais réellement, on n'est pas tellement impliqué dans la réalisation du barrage. Il y en a qui disent que c'est surtout la commune de Dessa. Ah, c'est surtout la commune de Dessa. Il reste, y a la commune de Dessa et de Famale, une partie de Famale aussi. Il reste, il reste combien d'autres communes encore En tout cas, il y a Famale, une partie de Famale, je crois. Il y a une, partie de Dessa. De l'autre côté, en amont, sur euh, Ayoru, il y a, y a une partie de Bébassan, je crois. je n'ai pas la, la notion de tous ces villages qui n'ont pas été euh, touchés. Est-ce que les populations sont satisfaites euh, des conditions de leur réinstallation Satisfaites, on ne peut pas dire tellement satisfaites. Sinon, ça va dans l'ensemble. En tout cas, tout ce que nous nous approchons de temps en temps, que pour le moment, il y a, y a tout cas le nécessaire qu'il faut pour être euh, dans une vie d'une famille leur permet au euh, euh, a été mis en place. Hmm. Donc, ils vivent comme, euh, en tout cas, pas comme dans, comme ils étaient au niveau de leur ancien, voilà. Maintenant, mais, les conditions sont, sont acceptables, vous voulez dire Sont favorables. Les conditions actuellement sont favorables parce qu'ils ont un peu tout à leur, à leur, à leur, à Mais il en reste, il reste parce que euh, ce que les populations attendent surtout, c'est euh, l'aspect euh, santé, surtout l'aspect santé et l'aspect électrique. Surtout l'électrification, c'est ça leur inquiétude parce que c'est de là que peut-être le boom économique de, de ce que nous attendons peut arriver. Le gouvernement prévoit de réaliser ce barrage d'ici 2020-2021 vous pensez que c'est possible Au vu de tout ce qu'il y a eu euh, depuis des décennies, les gens parlent du barrage de Kandaji. En tout cas, euh, vu ce que ces derniers temps, c'est que nous sommes en train de voir la télé, peut-être on peut, on peut créer un nouveau de logement. Du côté des populations, qu'est-ce qu'elles doivent comprendre Quel est le message que vous avez à leur dire, par exemple Je ne veux que les exhorter à garder patience. Ils ont eu à le faire bien avant. Que ça fait plus de 30 ans qu'on en parlait de ce barrage le barrage de Kandaji, le barrage de Kandaji, Dieu merci, il y a déjà une prise de première pierre. Les activités ont certes été un peu ralenties. Il y a eu une première phase d'aménagement hydro-agricole qui ont été réalisées. cette fois-ci, si la réalisation exacte du, barrage électrique est, faite, je crois que ça ne fait que euh, peut être une bonne chose pour l'ensemble de la population de Kandaji et l'ensemble de la population du Niger voilà, le, regard croisé des acteurs de la société civile de la région de Tilabéry sur l'aspect réinstallation des personnes affectées par la construction en vue du barrage de Kandaji. Allons à Dosso. Dosso, l'une des régions la plus arrogée du Niger en période hivernale. Mais cette année, les pluies se font rares et certaines zones n'ont commencé à semer qu'en demi du mois de juillet. Selon le directeur régional de l'agriculture de Dosso, interrogé par notre reporter euh, sur place, Daoud Hassan, la situation agricole n'est pas inquiétante, certes, mais un changement de comportement des producteurs s'impose face à la variabilité des pluies. Monsieur Amadou Dantani, directeur régional de l'agriculture de Dosso, au micro de Hassan Daouda. Il y a eu des semis depuis le mois de, mars et les semis ont commencé avec euh, dans le département de, de Et ces semis se sont poursuivis jusqu'à euh, cette semaine où vraiment on pense que euh, on va boucler cette opération de semis avec les dernières. Effectivement, il y a eu des de sécheresse. Et, mais la situation s'est rétablie. Présentement, nous avons fait le tour, cas de la région. La situation vraiment est, très favorable. Nous avons donc euh, les différents stades de, dont le stade le plus dominant c'est le talage. Vous avez le stade le plus avancé qui est la nuaison et piaison observée dans les départements de Falmey, de, de Tibiri également, où vraiment ils ont semé dans le mois d'avril. Dans le département de Loga, où nous avons euh, noté 17 villages qui n'ont pas semé. Mais présentement, ils sont en train de boucler les semis et nous pensons que et dans le nord, la partie nord, c'est-à-dire euh, dans le département de Loga, jusqu'au 15 juillet, il est possible de réaliser des semis et qui peuvent vraiment réussir. Compte tenu de l'irrégularité donc de ces pluies et de la durée de la saison, le gouvernement met beaucoup de moyens pour euh, mettre en place ces semences améliorées, donc euh, qui qui vont de 75 à 80 jours pour le, pour, pour le mil notamment. On a un objectif global d'atteindre au moins les 30 à 40% des superficies emblavées avec des semences et notamment améliorées. Donc euh, d'ici d'ici 2020. Donc je pense que nous sommes euh, vraiment sur le chemin pour que vraiment les paysans puissent adopter vraiment euh, en grande partie pour leur grande partie donc, euh, c'est seulement s'améliorer. Parce qu'on n'a plus ces saisons vraiment qui durent 3 à 4 mois. Qu'on veut vraiment euh, qu'il y ait un changement de comportement vraiment total au niveau des producteurs. Il y a quand même des adoptions qui sont là, qui sont, qui sont mesurables. Et, et avec l'évolution vraiment de, de, la situation du changement climatique, tout cela est pris en compte maintenant pour pouvoir vraiment convaincre les producteurs à aller vraiment dans ce sens. Voilà le directeur régional de l'agriculture de Dosso, Amadou Dantani, sur la situation agricole dans la région de Dosso. À 18h45 la page culture de ce forum, le groupe Tal National a procédé au lancement officiel de son nouvel album qui sera composé d'environ 15 titres. Le lancement a eu lieu ce matin au Centre de formation de promotion musicale CFPM Malajitaya, en présence notamment du directeur de cabinet du ministère euh, de la Renaissance culturelle. Alors, sur la particularité de ce nouvel album, suivons les explications du directeur artistique de l'orchestre TAN National, Almeida. Et cet album sera scindé en deux, une version internationale euh, qui va euh, intéresser les pays occidentaux qui ont une, euh, exigence par rapport à, certaines sonorités, à certains effets, et une version nationale qui aussi a son exigence sur une sorte de mixage, une nouvelle forme de mixage que le Niger en a besoin. Et la troisième question que vous me posez, c'est quelle est la, particularité de cet album Nous avons mis beaucoup l'accent sur, le, sur le rythme traditionnel. International, c'est surtout le rythme. Et aussi, nous espérons faire un featuring euh, pour la première fois avec euh, une chanteuse traditionnelle euh, qui a une voix très mélodieuse et que je veux que je tienne vraiment, Inch'Allah, à la faire connaître à travers le monde. On va faire un featuring avec elle. On voudrait le faire d'abord avec Zara Dibissou, avec sa permission. Ce serait pour la première fois que national a fait un featuring avec un artiste. Alors, vous abordez une question très importante, à savoir celle d'un featuring avec un artiste nigérien. Et tout à l'heure, on vous a entendu dire que les artistes nigériens devaient se mettre en ensemble pour hisser très haut le drapeau du Niger. Est-ce que c'est un premier pas parce qu'on ne l'avait jamais vu Oui, c'est un premier pas. Euh, les rappeurs, on, ont fait déjà. Ils ont fait beaucoup de featuring dans le rap avec, entre eux. Euh, les artistes euh, modernes n'ont pas fait beaucoup, à ma connaissance. Mais où nous, voulons concilier le traditionnel parce que le plus souvent, c'est dans le traditionnel que nous puisons notre répertoire. Il ne faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant à l'égard de ces traditionnels qui sont le plus souvent des auteurs de nos chansons. Donc, nous voulons vraiment euh, les approcher et un à un, n'est-ce pas, faire connaître ces talents parce qu'ils renferment énormément de talents, ces gens-là, et que cela permettra pour nous d'être soudés avec euh, la source, d'être soudés avec les racines parce que euh, chaque fois, je le répète, tous les artistes doivent être soudés. Ensemble, nous pouvons revendiquer. Ensemble, le ballet peut balayer, mais un brin de ballet ne balaye jamais. Almeda est-ce que vous pensez que c'est possible, vu les rapports Est-ce que d'abord, vous avez de très bons rapports avec les autres artistes Est-ce que les artistes nigériens entre eux, je parle des musiciens, ont mm. de très bon rapport. Est-ce que ce que vous dites est réalisable Ce que j'ai dit est bien sûr réalisable avec la volonté. Et je pense que la culture doit être entendue au sens large, au sens même de la mentalité. La mentalité aussi, c'est une culture. Donc, euh, à travers cette renaissance culturelle, nous allons d'abord vaincre la mentalité qui nous éloigne, les mauvaises mentalités qui nous éloignent entre nous les musiciens. Quand cela, cela est éloigné, vous allez voir, nous allons tous nous embrasser comme des frères et des sœurs. Cela est possible, bien sûr, comme d'autres l'ont fait. Pourquoi pas les Nigériens euh, Les petites guerres de, de business business du showbiz, euh, c'est partout au monde, euh, ça c'est dans tout, sur toute la planète. Mais au fond, on voudrait nous retrouver comme des frères parce que nous avons un même combat, c'est de faire connaître la culture nigérienne. Donc euh, ce combat nous réunit et ce combat doit nous réunir ensemble en oubliant nos différences sociales et se mettre au pas pour aller au front qui est celui de la promotion de la culture. Le groupe TAL travaille dans quelles conditions Je peux le dire que nous sommes dans des conditions très difficiles. Nous faisons nos productions à grand sacrifice, contrairement à d'autres qui ont des soutiens financiers, de la de la part du, ministère quelquefois, des soutiens financiers de la part de, certains. Donc, mais nous, quand même, euh, nous le faisons à fond propre jusqu'à présent, ce qui fait que notre production est chère. Donc, quand vous allez voir que l'album international coûte, coûte un peu cher, il faut apprécier à juste titre parce que c'est notre sang qui a, qui a goûté et nous avons fait cela à coup de sacrifice. Nous avons attaché notre ventre. On a, on a gardé la faim pendant un certain temps pour pouvoir payer le billet d'avion d'un ingénieur de sang qui va venir de Chicago. Donc, dans des conditions un peu difficiles, mais Dieu merci, et Dieu a toujours euh, pourvu à nos demandes. Hein. Chaque fois que nous le, nous, nous le souhaitons, on arrive à réaliser, nos albums euh, avec l'aide des, amis, des, des fans National qui sont toujours autour de nous. Quand vous nous entendez appeler leur nom dans les, les morceaux, ce n'est pas que ce n'est pas de, de griotage, le nom de là. Ce n'est que juste un témoignage de reconnaissance parce que sans eux, il n'y aura pas Tal National. Alors, il y a un certain nombre de critiques qui se font autour de la musique euh, du mm. groupe Tal National et jusqu'à présent, on entend dire que euh, le groupe Tal National, à travers sa musique, pervertit un mm. peu la société nigérienne, pervertit un peu les femmes mm-hmm. et et, que répondez-vous à, ces reproches, à ces constats, à ces critiques Oui, euh, c'est des, critiques qui, qui viennent à juste titre parce que national a toujours chanté la femme. Et eh, ah, vous comprenez bien qu'en magnifiant la femme, en chantant la femme, qui est le noyau de la société, et eh, vous n'êtes pas sans savoir que vous serez mal vu par la religion. Ça, c'est évident. Donc, euh, ceux qui lancent certaines critiques à l'endroit de, de, nos chansons parce que nous magnifions la femme, nous crions la beauté de la femme nigérienne, c'est normal. D'autres pays l'ont fait avant nous et d'autres pays ont gagné le marché grâce à ça. Il n'y a pas seulement que, que, que la chanson, et les paroles, entre guillemets, c'est pas moi, c'est donc l'opinion et que je rapporte vulgairement des femmes qui dansent de façon vulgaire. Et est-ce que cela, c'est magnifier la femme Et puis, tous les pays ne sont pas le Niger. Le Niger est un pays reconnu, comme on le dit, un, pays où le pourcentage de musulmans est très haut, 99% de musulmans. Entre guillemets, j'aime les guillemets ici sur ce pourcentage de, musulmans. Et c'est vrai, c'est un pays musulman. Moi, étant un musulman, mais je fais de la musique. Euh, euh, la tolérance fait que dans, nous allons vivre dans un pays euh, laïque où que chacun, n'est-ce pas, choisit sa religion. Moi, j'ai choisi l'islam comme religion le sait que je suis musulman. Pour ce qui concerne la musique, la danse, de la musique internationale, aujourd'hui, n'importe quelle musique que vous allez mettre, vous pouvez la danser de plusieurs manières. Donc la danse que les femmes font dans notre musique, nous ne portons pas entièrement la, responsabilité parce que toutes les musiques africaines sont des danses de, l'expression corporelle. Et c'est des danses qui sont aussi, même pas nationales, qui sont de le répertoire traditionnel. Quand vous voyez les femmes de Difa danser, vous allez voir que les femmes dansent de, la même manière. Quand vous partez à Gaïa, au sud du Niger, vous voyez que c'est la danse aussi du, du postérieur, ce qui effectivement heurte la moralité de certains. Mais pour nous, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Mais c'est avec quand même des, des, quand même des modifications, des innovations qui aggravent un peu euh, cette danse. Oui, on a, tenté de changer, on a tenté de faire tout pour, euh, pour ne pas exagérer, mais le public qui, qui reçoit la musique, euh, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que de ce qu'ils pensent de la musique. C'est eux qui, exagèrent le plus souvent, mais nous, à l'origine, ce n'est pas la danse que nous avons affectée à la chanson, c'est les femmes qui déterminent la danse qu'ils vont faire à cette chanson. Comme vous savez très bien, nous sommes guidés par les fans, donc ce n'est pas aussi un problème. Nous en sommes aussi des messages, nous prêchons aussi dans nos, dans nos chansons. Ça, on ne le dit pas nous faisons des prêches dans nos chansons. Quand vous voyez la chanson que vous avez arrêtée tout à l'heure là, c'est un prêche quand on parle aux femmes de respecter les maris, de respecter, de faire bien, il faut bien faire les, choses aux maris parce que le mari c'est lui qui donne le paradis, etc., etc. Ça c'est un prêche et le prêche qui sera entendu par des millions, et des millions de, gens, de femmes. Donc vous voyez, c'est, il faut pas seulement voir l'aspect négatif de cela. Toute chose, la vie, a son aspect négatif, son aspect positif. Le plus souvent au Niger, on prend l'aspect négatif pour le mettre sur le plateau, pour le montrer aux yeux du monde. L'aspect positif importe peu. Non, nous faisons les choses de part et d'autre. Et ça c'est pas un autre pour le groupe national. Un dernier message, quelque chose à ajouter avant la fin de cet entretien Le message, c'est celui, n'est-ce pas, de, remerciement à l'endroit des médias. Je vous dis, au live aujourd'hui, que la musique nigérienne, elle est connue grâce aux médias. Vraiment, je suis très, très, très, très ému chaque fois quand on parle des médias, de, leurs témoignages, ce, sacre, parce que c'est eux qui ont commencé à mettre nos musiques. c'est eux qui ont commencé à faire la promotion de leur, propre musique. Ils ont décidé, parce qu'ils ont compris qu'il est temps qu'il y a des musiciens qui peuvent faire quelque chose qui peuvent être des productions qui peuvent être entendues dans les télévisions, vues dans la télévisions et écoutées les radios. Aujourd'hui, euh, l'honneur revient à eux. Euh, l'honneur reviendra peut-être plus tard aux autorités politiques, avec, grâce à leur soutien à l'égard de tous les artistes nigériens. Nous gardons grand espoir que, Inch'Allah, le Niger ira de l'avant et je demande aux musiciens de s'agripper beaucoup. Ce n'est pas une renaissance, comme on le dit, pour un parti politique ou bien pour un groupement de partis politiques. Quand on parle de culture, on parle des artistes. Donc, intéressons-nous parce qu'on parle de notre vie. Il faut se débarrasser de ces qu'on politiques pour aller dans le, dans dans le but de la promotion de la culture et puis laisser les politiciens faire leur politique. Leur politique. Donc, vraiment, je, je, je aux musiciens d'être soudés, très soudés, pour voir à quoi sert cette, cette euh, renaissance culturelle. Almeida, merci beaucoup. Le directeur artistique de l'orchestre national, euh, de l'orchestre Tal National Almeida, euh, le, groupe Tal National, a procédé ce matin au lancement officiel de son nouvel album qui est composé d'environ 15 titres. La sortie de cet album est prévue dans deux mois, ça va coïncider avec la Tabaski. Mais avant, je vous propose un avant-goût de cet album avec l'artiste Masaoudou en acapella.

mana berna kurnyaya kabo faise wallahi sulayman salag hingamabo managano yusufu farmasi koywa ngiri koyta alham bani tedume managano ayiga samhida managano ayiga ire wayga kurga kori ay fong ay Voilà l'avant-goût avec euh, l'avant-goût de l'album du groupe Tal National avec l'artiste Massaoudou Andakapela. Et on reste toujours avec Tal National, cette fois-ci avec le morceau La Limousine que vous connaissez certainement.

Voilà un des morceaux du groupe Tal National, la limousine Tal National, qui a procédé officiellement euh, ce matin au lancement de son nouvel album qui est composé de 15 titres. Mais la sortie de l'album est prévue dans deux mois, euh, aux environs de la fête de Tabaski. Voilà, c'est la fin de ce forum. Je vous rappelle que nous étions entre autres au quartier général de ECAP Sahel qui a organisé il y a quelques instants une cérémonie de remise de médailles et de témoignages de satisfaction au profit du personnel de ECAP Sahel Niger. Et puis euh, le, regard croisé des acteurs de la société civile de la région de Tilabiri sur la réalisation du barrage de Kandaji après la réunion de haut niveau d'hier à la primature. Ils avaient parlé de l'aspect réinstallation des populations affectées. C'est la fin de ce forum euh, à 18h58 Nous nous retrouvons demain à la même heure, aux mêmes fréquences. Merci à la coordination technique. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.